chers auditeurs et auditrices, il est 11h. Bienvenue à vous dans votre émission d'information et de divertissement Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Samira Rafi et avec moi Rabia Mekano pour la présentation. Pour que vous nous recevez très bien de chez vous, nous avons la technique Kader Tchambiano. et pour la bonne marche de cette émission, nous avons celle qui assure à l'édition Adama Dawaki. Bonjour Rabi, j'espère que tu vas bien. Oui Samira, je vais très bien. Alors, qu'avons-nous au menu aujourd'hui le programme d'une heure est bien garni avec un flash d'information pour commencer de la bonne musique nigérienne, la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui qui nous parle d'environnement, le loti, une page sport et bien sûr notre portrait. Dans la partie entretien du jour, Moussa Sidikou, coordonnateur de l'ONG EPAD Niger, qui œuvre pour le respect des droits des enfants, nous donne son appréciation par rapport à la campagne nationale qui vise à garantir une identité juridique à un million d'enfants d'ici la fin hein, de l'année 2024. Toujours dans cette émission, Rabi, nous ferons un tour euh, dans la région d'Agadez, plus précisément à Arlit. Nous aurons aussi euh, notre mot de la semaine et les messages de nos auditeurs. Top, c'est parti. Tout de suite, le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Rabi, bonjour Samira. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent que nous ouvrons avec cette information de la CDAO. La présidente du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, Madame Memounatou Ibrahima, en citant les différents défis auxquels est confrontée la communauté, dont le retrait des trois pays et de l'Alliance des États du Sahel de l'institution communautaire et la tension entre le Bénin et le Niger, a préconisé plus de dialogue pour parvenir, pour venir à bout de ces difficultés. C'était à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2024 euh, du Parlement de la CDAO lundi 1er juillet à Abuja au Nigeria énumérant ces défis. Madame Memounatou Ibrahima a évoqué la volonté exprimée par les trois membres, par les trois États membres de se retirer de la communauté, ainsi que la montée des tensions sans cesse grandissantes entre la République du Bénin et la République du Niger, sans occulter les préoccupations constantes de la région qui sont le terrorisme, l'insécurité alimentaire, l'immigration et les défis et les effets néfastes du changement climatique. À partir de la troisième décade du mois de juin, 1470 euh, et 1992 villages agricoles qui compte la région de Tawa ont effectué des semis humides du mille, soit un taux de 73,80% contre 115,50% en 2023 à la même période, selon la direction régionale de l'agriculture à cette troisième décade du mois de juin 2024. Seuls trois départements ont bouclé leur semi 2000 notamment les départements de Madawa, Malbaza et Tassara, alors que le département de Keita a connu un avortement du semi du mille au niveau de 48 villages et un village au niveau, celui de Tilia. Il est également noté le, le début des semis des légumineuses, en l'occurrence le niébé et l'arachide. La division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique a entamé le week-end passé une opération coup de poing chicha dans la ville de Niamey. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente et la consommation des produits chicha dans la ville de Niamey et une importante quantité de produits ainsi que des appareils et divers accessoires ont été saisis. L'objectif de l'opération étant de lutter contre la délinquance juvénile et la dépravation des mœurs à travers le ramassage des appareils et des produits chicha dans les places publiques, les boîtes de nuit et autres lieux de distraction des cinq communes de la ville de Niamey. La chef de la division, la commissaire principale de police, Madame Zouéra Hassan Houssezi, a indiqué aux agents qu'ils doivent nécessairement faire preuve de professionnalisme et agir dans le respect des droits humains durant l'opération. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 3 juillet 2024. Merci, bien, Mokhtar. Merci beaucoup. Bonne continuation. Alors, chers auditeurs, comme annoncé à l'entente de cette émission, nous suivrons ensemble un entretien avec Moussa Sidikou. Il est coordonnateur de l'ONG EPAD Niger. et revient sur l'importance de la campagne Hakinyara qui a pour objectif de garantir une identité juridique à la naissance à un million d'enfants d'ici la fin de l'année. Mais avant, faisons un premier tour en musique avec Taureau de feu Moussa Poussi. Sobo Nino Torenya Nimo Katisor Kaikai Somo sors Kaiko Keheniga kera wiza e follan sigo ke hen mabay honda hawi ya goru hawi no borsi cottonda fono kammi gogo misideji bene a banda banno ha sidena koye kaɓigete noni sorke hen yani heni no dikko de la musique nigérienne. Il a valablement représenté son pays pendant plus de 20 ans de carrière, reprenant des rythmes traditionnels qu'il adapte au son des instruments modernes, créant ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture de son pays. Le 3 juin 2008, le Niger perd un, grand homme de la culture des suites d'une longue maladie. Moussa Poussi laisse derrière lui un riche et immense patrimoine musical. Dans cette chanson, il chante et glorifie les génies de l'eau, une chanson que l'on dédie aux Sorco qui nous écoutent sur cette émission, ces hommes qui détiennent les secrets des eaux. notre première note musicale dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Revenons à notre entretien du jour. Comme promis, le 28 juin dernier, le ministère de l'Intérieur, à travers la direction de l'État civil, avec l'appui de l'UNICEF, a lancé une campagne nationale à Hakinyara afin de garantir une identité juridique à un million d'enfants à la naissance d'ici la fin de l'année 2024. Une initiative qui visait ainsi à faire passer le taux d'enregistrement des naissances au Niger de 62,86% en 2023 à 87% d'ici la fin de l'année 2024, salué par le coordonnateur de l'ONG EPAD Niger qui œuvre pour le respect des droits des enfants, Moussa Sidikou. On l'écoute. Cette action, elle est importante dans le sens où, il y a encore quelques années, euh, c'est seulement deux enfants sur trois au Niger qui sont enregistrés à la naissance. Je parle des années 2000. Et cela a beaucoup impacté en matière euh, de protection sur ces enfants-là, mais également en matière d'un certain nombre de droits, notamment le droit à l'identité, le droit à l'éducation et même le droit à la santé. Il vous souviendra quand même qu'à un moment, euh, les autorités du Niger avait proclamé la gratuité de la santé aux enfants de 0 à moins de 5 ans. Alors, pour bénéficier d'une euh, telle mesure, il faut bien prouver que votre enfant a moins de 5 ans. Et pour le prouver, il faut bien euh, une euh, pièce d'état civil. L'importance de l'acte ou de l'action, c'est que le Niger a ce besoin crucial d'enregistrer les enfants à la naissance, ce qui n'était pas systématique. Mais également, il y a ce besoin de modernisation également euh, de notre système euh, d'état civil au Niger. Et je pense que c'est à ce titre qu'il faut saluer cette initiative-là, qui vise quand même à doter un million d'enfants de ce précieux sésame. Doter l'enfant de sa pièce d'état civil lui facilite l'accès aux services sociaux et avantages qui lui sont destinés. L'importance de ce document, c'est que c'est le premier droit d'un enfant, notamment celui à l'identité. Et un certain nombre également de droits ou de privilèges qui sont liés à ce droit à l'identité, notamment cette reconnaissance juridique de l'enfant par les pouvoirs publics. Autrement dit, je prends juste un exemple, nous sommes en 2024, tous les enfants qui sont nés en 2024, après 6-7 ans, doivent aller à l'école. Ça permet à l'État de faire une bonne planification. L'État saura le nombre d'enfants qu'il a en charge, qui doivent aller à l'école, le nombre de classes qu'il faut construire, le nombre d'enseignants qu'il faut euh, recruter, qu'il faut payer, également le nombre de fournitures scolaires. Donc, ça aide l'État et les collectivités, en tout cas au niveau local, la planification pour le développement local. Ça permet non seulement de voir quel est le budget qu'il faut, quelles sont les ressources humaines et matérielles qu'il faut. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est la protection. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, euh, l'État a pris un certain nombre de mesures. Je parlais tout à l'heure du euh, droit à la santé. Tous les enfants qui sont compris dans la tranche d'âge de 0 à 5 ans ont ce qu'on appelle, ou bénéficient de ce qu'on appelle, la gratuité de soins à ces enfants-là. Or, ce précieux document leur permet effectivement de bénéficier de cela. Il y a également euh, le maintien, par exemple, de la jeune fille dans le système scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est l'acte de naissance qui permet de savoir. Il y a aujourd'hui la question du mariage d'enfants. L'État dans le cadre, par exemple, de la révision d'un certain nombre euh, de lois, a décidé que aujourd'hui, l'enfant, c'est tout être humain dont l'âge est compris entre 0 et moins de 18 ans. Donc, ça veut dire que quand une fille est donnée en mariage à 13 ans, 12 ans, 13 ans, avec l'acte de naissance, on peut porter plainte, on peut dire non, elle est encore mineure. Une identification juridique permet également une meilleure prise en charge des cas lorsque des mineurs se retrouvent en conflit avec la loi. Dans le contexte sécuritaire actuel, il y a des enfants qui sont associés parfois aux groupes armés. Or, principalement ces enfants-là, d'après les principes de Paris et les règles de Beijing, doivent être considérés comme des victimes et non pas comme des auteurs ou co-auteurs. Or, pour qu'ils bénéficient effectivement de cet avantage lié à leur statut de mineur, il faut un document. Et c'est l'acte de naissance qui prouve qu'ils n'ont pas 18 ans. Donc vous voyez, à ce moment-là, ils ont euh, un privilège de juridiction. C'est le juge des mineurs qui doit l'écouter et il doit être assisté par des avocats ou des commis d'office. Et les peines également, même s'il y a des peines d'emprisonnement à prononcer, elles sont inférieures à celles prononcées par exemple pour les personnes euh, majeures. Cette opération vise également à aider l'État à atteindre les objectifs tels que les ODD d'ici l'horizon 2030, euh, ou en tout cas euh, un des indicateurs, l'indicateur je crois c'est 16.9, euh, dit qu'il faut à tout prix que les enfants de 0 à moins de 5 ans soient intégralement enregistrés à la naissance. Je pense que ça participe effectivement de cet effort-là à atteindre les ODD. C'était la première partie de l'entretien avec le coordonnateur de l'ONG Epan Niger qui a apprécié euh, la campagne Hakinyara qui vise justement à donner une identité juridique à un million d'enfants euh, d'ici la fin euh, de l'année. Avant de poursuivre avec la deuxième partie de notre entretien, soufflons en musique et pour cela, cap sur les dunes de sable du grand désert de l'Aïr avec les sonorités du Tandé revisitées par les charmantes filles d'Illegrad. de trois femmes, Fatou Seydi Gali, Alamnou Akirwini Nassir et Fitimata Amaldeher aux guitares, voix et percussions, et des homme, Abdoulaye Madassan, à la guitare rythmique. Il et elles viennent du village d'Inlegdad dans le Sahara, à 36 heures d'autocar de Niamey au nord-est entre Tawa et Agadez. Leur composition associe le blues, le folk et les musiques traditionnelles.

C'est là la pause musicale. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec les filles d'Inlegdad avec nous. Poursuivons avec notre entretien du jour. Dans la deuxième partie de notre entretien, selon Moussa Sidikou, pour doter chaque enfant de sa pièce d'identité euh, civile, la sensibilisation et la collaboration des parents sont indispensables. On l'écoute. Certains parents, c'est par euh, ignorance. D'autres également, je peux dire par euh, laxisme. Les enfants naissent ils ne sont pas déclarés. Vous savez, tout enfant qui est né, en tout cas dans une formation sanitaire, systématiquement est déclaré. Malheureusement, on a encore euh, des régions reculées où euh, l'accès souvent à ces centres de services, surtout dans le contexte sécuritaire, ce n'est pas chose aisée. Donc, il y a encore des accouchements qui sont euh, souvent faits à domicile. Pour ce cas de ces enfants-là, malheureusement, les parents, souvent par négligence ou par manque de moyens, ne déclarent pas systématiquement l'enfant. Et il y a un délai pour cela quand le délai est expiré, il y a des frais à payer. Or, compte tenu peut-être du niveau de vulnérabilité des parents, souvent ils n'ont pas ces, ces maigres moyens-là, c'est des moyens modestes, hein, qu'ils n'ont pas souvent pour faire face à cette déclaration. Souvent aussi les distances à parcourir. J'avoue que euh, s'il y a un domaine dans lequel l'État a fait beaucoup d'efforts, c'est dans le domaine de l'état civil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages administratifs qui sont érigés en centre déclaratif et il y a aussi des villages dans lesquels malheureusement, même quand c'est érigé en centre déclaratif, on n'a pas des personnes préposées aux écritures, c'est-à-dire on a des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Du coup, le problème se pose qui doit prendre la déclaration. Il y a ça. Je pense que c'est à cela qu'il faut, à mon sens, saluer cela, mais également amener les parents beaucoup plus à comprendre l'importance de ce précieux document-là et à les exhorter à déclarer systématiquement ou en tout cas à présenter les enfants lors de ces audiences foraines-là. C'est important. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en milieu rural, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là, surtout pour les déplacés internes, surtout aussi dans les régions où la question sécuritaire ne permet pas souvent la mobilité des gens avec beaucoup plus de sûreté. Pour garantir ce droit à l'identité juridique aux enfants, des audiences foraines sont également initiées dans plusieurs localités du pays par l'ONG et par Niger. Nous intervenons actuellement euh, dans la région de Tawa, nous intervenons également dans la région de Tilaberi, où la semaine prochaine déjà nous allons initier une action euh, pareille. À Tawa, depuis les années 2020, c'est quelque chose que nous avons euh, opéré avec un certain nombre de partenaires, notamment au niveau donc des communes de Bazaga, au niveau des communes de Sernawa, de Dogarawa, de Malbaza, de Koni même, où on a euh, une certaine couche d'enfants qui, en tout cas, sont dans une sorte de vulnérabilité, où parfois l'enfant jusqu'au CM2 n'a pas de pièce d'état civil. Vous voyez un peu l'importance. Donc nous organisons avec l'appui du tribunal d'instance de CONI, notamment le juge chargé des affaires civiles et coutumières, euh, rien que le mois de mai 2024, nous avons opéré une action comme ça. Dans les villages, par exemple, de Bazaga, dans les villages, par exemple, de Kao, je crois, et aussi dans les villages de Zongo Tagamawa, Zongo Tiginawa, Zongo Mozagé, nous avons organisé des séances de cette nature-là qui ont permis à plus de 1000 enfants de bénéficier d'actes d'état civil. Et mieux, au-delà de l'acte d'état civil, nous allons loin en demandant ou en appuyant aussi ces enfants-là à disposer de la nationalité. Parce que c'est des choses qui vont ensemble. Quand l'enfant va au collège, c'est ça qui permet en tout cas euh, de lui octroyer la bourse parce que quand il n'est pas nigérien, c'est difficile de prouver effectivement ou de leur octroyer par exemple la bourse. Donc c'est des choses que nous faisons pour promouvoir la scolarisation des enfants et aussi le maintien de la jeune fille dans le système éducatif. C'est vraiment une routine pour EHPAD. Ça fait de belles lurettes où nous conduisons ce genre de choses parce que nous savons que le Niger a un retard dans ce domaine. Aujourd'hui que des partenaires appuient l'État du Niger à atteindre un million d'enfants d'ici la fin 2024, euh, c'est dire que nous allons passer d'à peu près 63% du taux d'investissement de naissance en 2023 à peu près à 87% fin 2024, ce qui est une progression énorme. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement. Et dans cette rubrique Rabi, nous parlons du lac de Guidimouni situé dans le département de Damagaram Takaya, région de Zender, qui regorge d'une importante population de crocodiles. Une situation qui agit sur le poisson, d'où une concurrence entre les pêcheurs et ces crocodiles qui font partie des espèces protégées. Colonel Lawali Bawa, directeur régional de l'environnement et de la lutte contre la désertification, joint au téléphone par Omar Hamma. Le lac de Kidumuni est situé dans la région de Zander, département de Il forme une dépression endorique allongée sur 3 km de long et 700 mètres de large. Le plan d'eau est formé de deux grandes étendues d'eau avec une profondeur moyenne de 1,5 m. Il est alimenté par les eaux superficielles, c'est-à-dire les eaux de ruissellement et des nappes à travers plusieurs sources. Quelles sont les espèces aquatiques qui se trouvent dans ce lac au niveau de ce lac, la diversité biologique est très importante. Là, si on considère euh, les espèces végétales, les les espèces euh, aquatiques, à, savoir les végétaux et aussi les animaux, et aussi les espèces euh, la faune qui est aussi très importante. Avec cette abondance sur le plan euh, diversité, cette importance a fait que ce lac a été classé comme site Ramsar le 18 décembre 2019. Par rapport à la, euh, euh, la faune aquatique, effectivement, comme je le disais, il y a plusieurs espèces de poissons, des reptiles, des varans et, surtout des crocodiles. Donc si maintenant nous revenons à la situation du, de la population des crocodiles au niveau du lac de Grimouni, Effectivement, euh, l'espèce qui est rencontrée, c'est surtout le crocodile du Nil. Comment ces crocodiles se sont retrouvés dans le lac L'origine, de euh, cette abondance est due suite à une introduction, je crois, d'un couple de crocodiles à partir de Zander au niveau de l'âme du lac de ce lac. Puisque le couple était dans la mare de mais juste derrière euh, l'autogar. Mais avec le programme d'assèchement et des choses, donc la population était menacée, ce qui a entraîné vraiment la découverte, euh, l'introduction de cette espèce au niveau du lac de Kidemoundi. Donc euh, depuis lors, vraiment avec la multiplication et autres là, donc euh, on assiste à une prolifération aussi de cette espèce. Donc par rapport à la situation du crocodile, donc vraiment, et selon les données que nous a fournies le communal de choses, on estime à peu près à 300 individus au niveau de ces lacs Et vous savez que donc le crocodile est une espèce qui est protégée par la loi 9807 euh, du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune. Donc euh, cette espèce bénéficie d'une protection intégrale, c'est-à-dire elle ne peut faire objet d'aucune utilisation sauf pour des besoins euh, de, contexte scientifique. Donc vraiment, c'est une espèce intégralement protégée. Est-ce que cette abondance de crocodiles dans ce lac ne cause pas de problèmes avec d'autres espèces ou même avec la population riveraine par rapport à la cohabitation avec les pêcheurs, il peut y avoir des choses, euh, une concurrence entre les pêcheurs et la population de crocodiles, puisque euh, vous savez que le crocodile est un, carnivore, donc il se nourrit aussi de pêcheurs, de, poissons. Donc euh, ça agit un peu sur le sur la population de poissons, donc ce qui fait que déjà il y a concurrence entre les pêcheurs et les et, et le crocodile. Donc euh, par rapport à la consommation. Donc, dans plusieurs documents, on atteste que le crocodile est consommé. Ouais, c'est une espèce qui est consommée aussi dans, l'alimentation humaine. Voilà, en quelque sorte, de manière ramassée, la situation un peu de population de crocodiles au niveau du lac de Kutumuni. C'était le colonel Lawali Badoua, directeur régional de l'environnement et de la lutte contre la désertification, joint au téléphone par Omar Hama. À présent, marquons une autre pause musicale. Rabi, qu'est-ce que tu nous proposes Oui, Samira, poursuivons avec euh, le troisième titre de notre playlist. Et c'est la chanson Hassan Boukari de l'artiste Hassan Boukari. la ilaha ya Allah la la ila ya Allah ya Allah ubangiji mai iko Allah rabbana na gode Allahu la ila ya Allah Allah la ila ya Allah ya Allah ubangiji mai iko Allah rabbana na gode eh, eh, baban nana Hassan Bukari ya gambo Hassan Bukari kana jika dan nana jikan hantu jikan Hassan eh birnin tanin eh, eh, Baban nana Hassan Bukari yayan gambo Hassan Bukari kana ya dan Bukari Jika shaudi jikan Hassan na birnin Bambai ban na bushe idan ka hini ban na yanga idan na fi ka samun kai fa samu na ne birnin ke far'a ta masu da ce sai Allah Allah ubangiji shi Allah shi yayyo hasan hasan hasan nono моей гитары так азусы. Аканани. Eh, taka sosai, mai kalango kaɗa mini sosai. ga muryana ga muryar ɗan chanson autobiographique de l'artiste Hassan Boukhari En fait, c'est un ancien journaliste, à la fois artiste et producteur. Il fait partie de la première génération des journalistes de la radio-télévision Ténéré à sa création en 1994. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis où il passe son temps entre les studios d'enregistrement dans sa propre maison de production. Baban Nana abokin Mustafa Kwande. Asanono. Baban Nana abokin Sa'idu Jori. Asanono. Baban Nana abokin Mark Hassan Boukari de l'artiste Hassan Boukari, Samira. À présent, on passe à l'écho des régions. Oui, Rabi, l'écho des régions nous amène à Arlit, région d'Agadez, pour aborder la question de la vente et la consommation de stupéfiants par les femmes divorcées. Une pratique de plus en plus répandue, affirme Cheibou Ibrahim, chef de la brigade antidrogue de la police d'Arlit, dans une interview qu'il a accordée à notre correspondant la semaine dernière. écoutant ce reportage de Moutari Abdoulaye. A cikin wata hira da yi da manema labarai ne shugaban hukumar kula da yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ke sanar da cewa galibin waɗanda suke kamawa a cikin sha'anin shaye-shaye mata ne kuma waɗanda suka fito daga ɗakin aure. Shehu Ibrahim shugaban hukumar kula da yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na hukumar 'yan sanda a Lita yana cewa. Lahirin matan da ke shaye-shaye a nan yawancinsu zawaru ne kamar wanda su yi aure sun hita shekara sha shida sha bakwai sha takwas. Ma kai sha ba zawaru. Wannan matan zawaru ko ina shiga suke. akwai waya ka ga yariya wadda ba ta yi aure ba tana shaye shaye a nan garin mutane su rika lakari ba ran da ta aure ta hito ba za ka suke ta ta yawo wannan zawarin suke bata sauran saboda kana da zawarar da ke shaye shaye a gidanka a gidanka akwai mata hudu biyar in ba sa kai ba sai guda ko uku su ta koya musu shaye shaye so a rika la'akari da ina yara suke ta suke zau musamman mata. To ko mai al'umma suke cewa game da wannan labarin Muhammad Lawali Andre tare da Samira sun bayyana min yadda suka yi har ma da abin da suke gani yana saka waɗannan mata shaye-shaye. A ce iya mace wadda ta yi aure ana ganin idan ta je ta zauna ta kama darajar ta bar arman ta huto maimakon ta zauna a gida Allah ka mata wani maso yau ta zo ta hada harkoki na shaye-shaye wannan labari ne mai so su zuciya su kansu kuma su wanda suke yin wannan abubuwa su zamna don Allah suwa kansu tunani su ruhawa kansu asiri su ruhawa mu iyayensu asiri su su tuna su gani uwayen wasu ne wata rana in iyansu suka tashi suna wannan anya sun iya maido su a hanya mutane wasu na kamar shaye-shaye wayewa saboda yanzu ka ga wani zai taya wani orchestra ko wani abu sai mace ta sha saboda kumiya ta fita a ido ayi ta rawa ana zuba wani hau kenan ba abba ne ba mai kyau ba saboda ke kin kada ma ki mutunci matan kansu suna tare da amma suna zagi dangin ki zasu kyamata ki saboda akwai arliti diya wanda uwayensu suna garin ga amma suna zaman kansu wani kuma uwayensu suna na darajar mace a gidan uwayenta komin wahala komin menene ki tsaya a gidan uwayenki kuma kowace irin rayuwa ce ke in talauci ne in shi ne ran karewa Gana abin na ci gaba da haɓaka zuwa ga yara ƙanana ya saye shugaban hukumar kula da yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi saka kira ga magabata da al'umma su yi tsaye wajen ganin an samo mafita kamar yadda shehu ibrahim yake mai cewa ilfoki yan shaye-shayen na a rika mu wannan aikin namu ba solution ba ne mai akwai mutanen da na kai kama su su uku haka in kai ka ka je lokacin ka dawo ka sake yi in kama ka in maida ka kamar ba ita ce mafita ba ya kamata a ce an samu santar wanda ire-ire wannan an kamo su musamman minar dan shekara 16-17 an kamo su a kai santar din a yi musu magani a yi okifen su an samu sayan ayyuka ko na ba na ba su kaga abin yana ɗan rarragiya. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et sérieux. Adam, notre chroniqueur sportif, est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Mira, bonjour Ravi. Adam, débutons cette page sport avec euh, la 33e journée de la Super League. Eh bien, Mira, nous sommes désormais à une seule journée de la fin du championnat. Hier, plusieurs matchs ont eu lieu sur les différents stades du pays, d'abord à Niamey avec deux rencontres entre le Zumunta et l'AS Police, victoire des policiers sur le score de 2 buts à 0. Mike nul, un but partout entre les électriciens de l'AS Nigelec et le Liberté Football Club de Niamey. À l'intérieur du pays, à Dosso, le Tagour a battu le Sal Sporting Club sur le score de 3 buts à 1. Azander dans, dans une rencontre très serrée. L'Espoir FC l'emporte sur le score de 4 buts à 3 face à Jean Gorzo de Maradi. Et à Arlit, l'Urana FC remporte le, débit et le derby de l'Aïr contre la Kokana Football Club d'Arlit sur le score de 2 buts à 1. Merci Adam pour tous euh, ces résultats. Et quelle est la suite du programme des matchs euh, de cette 33e journée Eh bien, ce soir, nous avons trois matchs au programme l'Aisfan contre l'Olympique FC au stade général Sénécountier à 16h. Au même moment, l'AS Garde nationale reçoit l'AS Douane au stade municipal de Niamey. Pour clôturer cette 33e journée, nous irons à Tawa où la jeunesse sportive de Tawa accueille l'Union sportive de la gendarmerie sur sa nouvelle pelouse. Adam, parlons à présent de l'athlétisme avec un mot sur Aminatou Séné. Eh bien, c'est désormais officiel, Aminatou Seni ne prendra pas part aux Jeux olympiques de Paris 2024. En effet, la sprinteuse nigérienne lutte depuis quelques années contre un taux de contre un pourcentage d'hormones très élevé dans son sang, comme l'exigent les règles internationales d'athlétisme. Cette information a été confirmée par son manager, Jérôme Labeur, sur son compte Twitter. Aminatou Seni, qui vit depuis quelques années en France, dans le centre de Montpellier, grâce à une bourse de l'État nigérienne. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif à demain avec Hassoumi Grouza. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Dit Samira qui est l'étoile du jour. Elle s'appelle Zainabou Amadou, une veuve de 39 ans et mère de 6 enfants. Elle est originaire du village de Tassikora, dans le département de Saï, région de Tilabiri. Zainabou réside à Niamey. Elle a perdu son époux il y a déjà 5 ans. Comment a-t-elle réussi à gérer sa famille Écoutons son portrait avec euh, Omo Omaro. Zainabou Amadou, Kana, Tassikora, de Lady Saï, Odebo Mogor Moura. Imo wodi sukaɓe jeego o duuɓi capanɗe tati e jeenayi hannden no waɗa duuɓi joyni ko jom ɓaade makko maayi jeynabu no debbo titinkiniiɗo sanne nder fii gaɗol luumaaku ko heɓa ko firne sukaaɓe makko wallahi garki an yeme arande mi joɗakina burkina ko jooɗi burkina yo suudu an jonta ko jonta o adowa o wadda ɗo o gar mi jooɗi mi na ñande ñande o waɗa lebbi sappo heɗiɗi ko o heɓidama o daɗi gartumi to kam waɗi sababu jonkay e, min mbawa jooɗi wuuro ton gam mo wala goɗɗum jottako jonkay e dilloymi min gardi ɗo min e makko min gardi ɗo mo filo gardi nde heeɓi o ñiɓa nonni nonni fa o heeɓi bitigiyal min jooɗi fa to fuɗɗi fay welude o allah waɗi jaɓitani kalifa muɗum o maayi warde joyi mo woodi duuɓi joyi e lebbi tati o warde wallahi ko maayi accanani kan sukaɓe jeego amma accani kan goto ley reedu no wondi lewru worru wondi ley reedu o maayi joni mi rimi ɗum ɓiɗɗo debbo no wiye rabiyat rabiyat no wonni kam wuuro gacce o maayi warde jom wonni ɗo dogga miɗo fiilo no mi sonna mi ñanna ɓe nde mi heeɓoyi togom mi wadda mi ñanna sembe on kayni woni coggu annigen am so bakam wattano ana jonni mi sodan maaro am mi jongona sukaɓe am lasara mi waɗan dundu e ko e ko nandi he mum en tonni mi sooda hirani mi yaara mi jongana ɓe nde mi heeɓi ko watta sakuru mi sooda de mi heɓay ko watta sakuru de mi soodni mi eto wannina ha wallahi sukaɓe gacce fo wala hema wallahi ɓe fuu ɓe jang mawɗo o tefi bakku du laabi ɗiɗi heɓay jonin hikka miiji filo to filo waake hikka so allah jaɓi mawuri tefanan ɗum nokku fuu no gaɗanmi fuu so allah jaɓi mi tefanan ɗum ya filo bakku arande jainabu e jom ɓademu joɗakina leydi burkina donc ɓe garti galluño me gaɗa mayde jom ɓade makko bita o sonnata subana lasara o sonna dundu kan he ceccena he ko nandini ngam o heɓa ko o soodi o jongani sukaɓe makko gaɗol bita kay illa arande illa miɗo suka miɗa heewi inna an no waɗa inna an sonnata amma ley suumayere fof imo waɗa ko garmi gemeɗom hii himɓe ne gaɗa no conna minde miɗo waɗa miɗo sonna ɗum ni mbawmi ɗum he kawla kawla ko anni miɗe yimɓe ne conna ɗum du miɗo ekkito na bawumi wallahi noon ni wallahi misali miɗo wawi soodi han gawri tasaje tati miɗo wawi soodi ɗum du keme ɗiɗi en na keme tati e kuuda ku en e aware tasal ɗum fuu mi waɗa ɗum min he sukaɓe jogaki ɓaade dow teddirka ko lamɗo dekkanimo imo tawra saɗarma dow no o watta ko o jogoro suka e makko fudo nder wakkati o ko himɓe tawa ko saɗarma fi gurnan ƴaadiɗo saɗarma kay gondumi hannde hannde he haala wallay nema walnaka ley suudu hunde fune no yurmini rafi nema lay hannde nema walnaka ley suudu ley boset to anno nde mi sonni de mi heeɓi mi sooda de mi heɓaydu ko ko koddumi ɗum kañum ni mi ñamata ma lay sukaɓe andu wala masala ɓe daroyta ko dow bagoto ɓe giya kokke dami wala inna ley ñeme mi wala baba ley ñeme mi wala mawni o ley ñeme mo kawtumi goɗɗum mi wala fuu mo eelowami allah tan godumi kan eelami zeynabu no debbo mo gorum maayi Merci Oumou Oumarou pour ce portrait, cher auditeur. C'est avec le titre Jalouse des Crazy Girls que nous allons clôturer notre playlist d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer. peur qu'elle t'attire Je suis jaloux, je suis jaloux, je suis jalouse d'elle Je suis jalouse d'elle l'amour du monde. T'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Non, non, je veux pas te partager avec elle. Je risque de péter les blocs si tu restes avec elle. Je saurais te donner tout l'amour de ce monde. Non, t'as pas besoin d'elle, non, t'as pas besoin d'elle. Je suis jaloux. comme nous et notre technicien Abdelkader, vous avez kiffé ce titre Jalouse des Crazy Girls. À présent, on passe au loti du jour. Aujourd'hui, le sujet que va aborder le loti, c'est à propos de certaines femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles, à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences rabies sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Salamoutou Kadri et Aminata Boubacar. <laughs> Lotti, Lotti, Lotti, así vamos, <laughs> Salamu alaikum, assalamu alaikum. Hai, wulak ba na isin giye no dinno kwai ne. Salamu alaikum. Maino, ai ne ya ne hari. Ni kayi no, ka ne Eh, bere, ufan da kayan. Son kai da yi mina han Halima. sun wani singu gorni windi zora ki hin zanta ne akan ai ka gin ha su su boga kason da gangan mo go ka te gin ha fa ai sin garfu ni go dai barkan han sin ce bandai logu ni singu ni kwara ba ni go ni gani cin wahi giza kaina ha he bege bani hai kan ne wada nai go ai wani gi sina kwara ni gi sin kwara ni kwara no ha ni fuwo no kan ni gono di susu boy kason ni singa banganda ah ay wo kay man dita al kangara faji day no gay ga wudin sey no ay ga hatta ko ya kwara halima ni bombay mo bay barkanti ni ha faji no goni ga ni sinde tele no he wonin nera no ay ni tila ni ko ni bani be ga tela kan go fuora to ifo seno nigdir gin windi zo nan ferante inga ni ani porte mo yo gone ga feri bor kulga fatara ni ni man bay hay kan goti ni singa gor ni kwara ni go bor fofu me tun za so buni al salam tare an wadin harramandi ha ni woy bor hanna mu ban ni kwara i man ne nin din gor ka sino aran sikar kan bani wadin bun boga kanu wala aran ma amma mu biya bora kwara bora singa ba yollo tufuni maga agoda ga mo feri gin gunni mo ni ste lakkal amana e beeri banere cey fo do handino gaga hay kan do kurnyo kay go jin haga ay binde go salongu gogu do kurnyo dera irmiye jir fa karati koyni subhanallahi halima he ni wa bani gonga ni woni go kubai modai son ni wa ba kurnyo ka ni stela ni bumboni bonse bonse sindi ha fayday se furga fatta zani ga furga fatta no ni ga na kifi ay goro ai kwarai manne abisai koi manai manne ha ni godai fu me ga ga kabu no ne no ne he iyo koi beri rakiya nai min no sanni kan gani su bai ai ko ni da za su su bai kalki ni daka ai hini no go windora wadin sai dai no ai mai ko ikwara ai giga goi no din bumbo ne ga da kiyan wuti subhanallahi ai irkoi ni gai dangai mate crise gabu ha nin dai no gai gai tension wo nan di koyin hun kun gai ko kai yama yamu so ni woni singa da kan windo wora ni bonse to nan imcin sai sani fu hun kuna hun kuna igwar fa ni sai ni kwara ah mashallah hmm? ay gugwar ka de wicir kan mu kali cini era kan cinni kurnya ka ay muna se kan am hiji gida kiniga am te ni se wacce ama da ni se fuyi za fadira ni ga bangan da ga zam ni se ga faji koy ni gonda ni gudu fakari me ga subhanallahi sonni wo ga ni sabai se kul gomni hal ni ka gu wicin ware yai se ay da dai wadin no ay siye ga ce ta am koy ni gwar gisni kwara hmm, to za kan ni baya gani bon samu fattini mayo rami am ah, fattini mayo rani bon se me zama yi wo bumbo ga bai kan ni gwar gisno kan kwar go ko gorgo din ha dai no go ga da mun sai kan wallahi limuni go gai dorandi ai fargan dini amma kam ni sin bombai bai ni ba mun duma gun modin koi ni ko dai gorgani hin jai ka tara sen sigun gidi rai kan duma go te ni sai ni mun duma gun ni ko dai gornu rakiya ni sanno dinu chimino fa amma wankan tegi bisu wo irmi dirnyangaga di irkwe ta layri hino wo aiga te izu wai aiga banai kwara kan borai bun bono ga kan bani aiga ga suno mu insha Allahu so handa aiga kwai ga yafi ce ga zan wallahi niga cin fa doran digaga to za kan bon boni bai bon sai talai kan ni gona gate a bisa me ina han fan bor min bon chabe a bisa borai min chabe farga ai fargan da sanni bo ba gun kalai karra ko gun mata kai mayo ko gunda do sai har yayin fo borai ga ibin yenen a ah, da har no kai tal saga sun da sun da kan dani si mayo hai san na na na na na dukuri ni si ba ni bon bai ni kinu wai kai na kan mana ba hai ni no ne ne ni go fuwe gaga kabu hausi ba ni di nin no dukuri dan borai ina aina har yana da Voilà, c'était là le loti des femmes du studio Kalangu. Écoutons ensemble à présent l'explication du mot de la semaine euh, coopération, coopérative plutôt en Zarma avec Alassane Abdou. Bonjour Alassane. Bonjour Alassane. Bonjour Rabia, bonjour euh, Samira. Euh, comme chaque mercredi, nous nous retrouvons ici pour parler d'un mot. Aujourd'hui, nous allons parler du mot coopérative. Matakande a ate doneda e, alarab kulu irga charkube nongo irka selar kangati aine e, hasanira da matkan kida bifo songe borege not zarme wono bonko ine donc e sinkine zaram sanneyo donc songe Nora, e, hunkuna irko selan worsar kangati sanniz fo bonka sigine coopérative coopérative wodir wodo hari wat fo isne koppado iriyago koye koppa do koppa ɓoray koppa koppa coopérative dene ipatikate koppa foti coopérative o il faut ta mana coopérative manti kala kundano kan boriyan kan nane kere yadda carga warka yengo go dum fullon kate kiga gorandi kundadin ingano kakamoy dar ko gonka di matuno goy woni alhalo go tida il faut ta nafa kan hinka zadandi ka bangandi bori kay yengo ga godin tese il faut rano borga targa di kunde wodumo borikanga rugugoti nigi migine cooperative tula cooperative wali mine eh, fule cooperative wo yankul kwariyenno sanga nonga groupement des parcelles kan migine GMPO bore kan guru geze kan guru gago bankan GMP groupement mutualiste des parcelles sanga rugg Nan ka i margan i jama batan fullon ka non godo igingay ko pa al dan zami ga bori dan kan ga hagoydi won goyi da mat kan gogo te da san dai kar ga hinkidi da haku kan ga himanda wodi dumo ya dum mono bori kan ga kal goyi ngay mo do har niga di wodi dumo. sanga dumi zai maza da fondara wai bori kan ga ne randi al bori kan ga gote matun wone ga hinka na fanda wo sabbu seno iga cooperative woti coopérative gin kate fondo bobora yadinga har kanga dukkana jama kan nane cer kan kabdan cer kabara no ga gorandi i goyo fondara kanga dukka alzaka fondo feri isi amma borey annasar sando din a hurir wonna mera gisen ma bore ngene iriya go ko pado ko pade to coopérative kan borga ma bore gici wona to cooperative a wona mana watu fo mo nigi dia lokolera wol longu fo ramo tayango nongo do kan izu we kul margani im ka go igne cooperative wonno yani ga hen kul hariyan no kangen katingu ke ngudu gomno ingin nafa bore bahuna tabbacin ofondera to alasan abdu irsabu Merci pour ces éclaircissements, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais ou dans les cinq langues euh, que nous diffusons, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Basir wanda doki suna ba da haƙƙi ga jama'a ga dukkan halsuna daban-daban na farko akwai zabarmanci akwai hausa akwai faransai akwai fulatanci duka suna watsa sosai muna jin daɗin shirye-shiryen su kuma muna bai da su sau da kawa sosai ma suna waye muna kai abubuwa daban-daban wanda ya sahi harka irin kwamiti hakan ga da kuma na bangaren mata irin yadda suke haɗa kai suna abubuwa inda suke na ci gaba duka muna sauraron su sau da kama insha Allah to duka ma'aikatan gidan rido stadium Kalangu ina gaida kowa da kowa tun daga mayyansu har ƙananin su har da mu masu saurari duka duka baki ɗaya da ku 'yan jarida kuma ba a barin ku baya kuma gaba ɗaya dukkanin Nijar gaba ɗaya da duk inda wannan sauti yake kai insha Allah. Nasar Bukar Aigo Fas Morg Ayo Butikeno dan aiga dan istido kalangoi gama information ai aigo ma kanimu irkoyma konda da gine irkoyma saite irkoyma bakarau da irda nigeria gamara ko dai ma irin non chelsea irkoyma silam talai dan irbine ga tonto ga salam bora kulga ai gifo ai gibane bori in kaden wai ga foi ai grand sir fati amodu kango rajo tapwa da grand frère shebu mamudu kango tapwa ai ga fondo kokari tonan di ido irko dai ma wanda go da gine irkoyma bore nan chelsea ai mano idris amadu lallai mu goyino ga ti a daidaita sa'i na igu fada beri wallahi to irgo du labari irgo ji hangan irgo makani ingai borai no bereyan ya dai haye ga bakan irgo du irako irgo bamo koncine kom diser kom dir kuse kom la kalkane kanemo tonto o aiga irfa da borai fo nango abdul nasser pharmacie do après an te aiga fo debi idris debi salon de coiffure do dai ku kanga premier cassis da ira adede te me ame kanyan go kwarara ngamo ay foye moto ay musa amon nema kango sari habbene goyo gogo gomo zame godu labar chekente labar kan toga ma afan rajo ni ga hangan tapua ni gange mudwa ingo jama me amefu kan goyo rajo tapua de kalangu me ame gi kayesi Thank you. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission du Niger sur Kalangu. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour la suite de nos programmes à partir de 17h. C'était un pur plaisir d'être avec vous. Cette émission a été co-animée par moi-même Rabia Mekano et Samira Rouafi. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Abdul Kader Chambiano. Passez une excellente journée.